xamante ni mooy Pape Dieng mu ubbi waxtaan wi comme moom moom mooy manager wu waa groupe Percus Pape Dieng dañuy jox kàddu bi mu sànni ci ay kàddu wax li nga xamante ni moom mooy programme bi ak li ñuy waajal ak fi nga war a jóg bu ñu jugee foofu nag doo ko xuus dem feneen kon Pape Dieng kàddu gaa ngi noonu yow lañ koy jox. de réseau insuffisance de plateau d'expression artistique et scénique manque de cadre d'échange entre les acteurs culturels, déficit de ressources humaines compétentes au sein des structures culturelles. Donc, je vous cite juste les objectifs générales. Le journal général, c'est de promouvoir les expressions artistiques dans la localité de Guédewaï et vendre la destination sénégale via le festival, mais aussi donner aux populations et aux artistes le cadre de loisirs et d'épanouissement. Pour les objectifs spécifiques, petit c'est de favoriser un cadre d'expression artistique et un espace de loisirs et d'épanouissement pour toutes les touristes. Petit 2, favoriser les rencontres et les échanges entre les artistes de la localité d'une part et entre artistes et acteurs culturels d'autre part. Présenter et diffuser les produits ou services liés aux créations des artistes et des femmes, entrepreneurs, aux professionnels, aux touristes et au grand public. Petit 4, c'est de créer un cadre de partage et de communication pour les enfants en leur des activités ludiques. Et pour les résultats attendus, pour le groupe, particulièrement à Bouquet, une trentaine de jeunes d'artistes de la localité sont promus pour le groupe Bouperdu. Des programmateurs artistes du Sénégal et d'ailleurs ont noué des liens entre eux. Quatre spectacles des produits de ces artistes sont présentés. Les produits artisanaux sont, promus. Pour la présentation de l'action, je viens, le lieu du festival trouve son originalité. Victor, et journaliste. Moi, je Je m'appelle je suis le manager régisseur du groupe donc pour en grosso modo comme contexte de justification bu waral léegi dafa xaw a gudd je vais juste boucler expliquer leen lan mooy concept festival bi ñu ko organisé jërëjëf festival donc bëgg leen expliquer tamit lan mooy cartographie li nga xamante ne moom la ñu bëgg def ak tamit lan la ñu bëgg tey ci culture du Sénégal lan la ñu bëggee émanciper loolu noonu donc en grosso modo damay téye kii bi rek lii leen leen contexte justification bi après une communiqué de presse, je dois le journaliste, au journaliste. Donc, euh, pour voir, l'avoir les justifications du festival, je vais juste vous expliquer les bases. En premier temps, on, dit, on parle toujours du Sénégal. Quoi. Le Sénégal, pendant des décennies, a vu émerger de nombreux artistes. De temps, dans plusieurs décennies, créant des artistes. Par contre, son environnement culturel actuel n'offre pas vraiment aux artistes la possibilité de se développer et de vivre de leurs arts. L'homme se découvre carrément pas.

Cependant, ce secteur souffre de manque de structuration, de lieux de division, de formation et surtout de conservation des œuvres artistiques. Le lieu SN l'expression culturelle ne sont pas souvent accessibles aux artistes méconnus par le grand public. Aujourd'hui, ces derniers trouvent un grand besoin d'ouverture et de visibilité sur le marché national, voire international. C'est dans cette optique que le lieu du festival vient apporter des devis de solutions. En effet, le festival est un projet de développement dédié spécialement à la promotion des expressions artistiques et culturelles. Il vise à faire du secteur culturel tant convoité par les jeunes un des leviers majeurs de la croissance économique et de la promotion des valeurs culturelles et touristiques d'Afrique, en particulier du Sénégal. À travers des programmes riches et variés, workshops, carnaval, ateliers de musique croisée, danse et percussions, ce projet présente une démarche inclusive favorisant son appropriation par ses bénéficiaires et populations, tout en leur créant ainsi des occupations utiles, permanentes et rentables. Toutefois, les filières présentes dans le sous-secteur des arts sont confrontées à de multiples contraintes, insuffisance dans l'organisation et la formation des acteurs, insuffisance dans l'existence d'industries culturelles, inexistence de certaines dispositions juridiques et ou dans la mise en œuvre déficit de données statistiques sur les filières, absence de diminution des statuts pour tous les types d'intervenants, prise en charge insuffisante des artistes dans le corps du travail, etc. Les jeunes acteurs qui s'intéressent aux arts et cultures

28 29 ak la 30 qui Sorano looloo waral tey ñëpp fait fi. Euh, festival bi nag ko domaine culturel nekk domaine culturel danse la ak bon culturel la parce que a la danse am a workshop le presque lépp le festival di am festival culturel la donc euh, première édition là, à Baye première édition là, donc c'est du 27. ba le 30 décembre. Euh, mën nga noo wax ci 27 ñetti fan yooyu noonu nan ak lan ngeen festival d'accord léegi ñetti euh, man dañ maa dañ maa tuddee bés. mais am na koo xam ne comme Baye moo gën a xam programme festival bi ci laa bokk nag ndax lu mu am ci laa bokk waaye tey moom moo def programme am xam naa moom laay bàyyi mu gën a xóot ci noo tëddee tëralee programme bi pour mu gën a leer pour ma bañ a juum ah Baye Le man la l'international, n'est que euh, ballet national euh, Sorano def 22 ans un ànd ak euh, maanaam président bu mës voyager voyagé rek ànd naa ak yow Senghor daal mais ñun ballet national lañ que la Euh, artiste international nekk ak m'a Moussa Sorano théâtre national de Sorano Euh, tey ngay waajal festival bi nga xam da nga ci ñetti mu nekk ñetti ay bis ci weeru mois de décembre. Mhm. dañ jëm ni. bu ko da nga wax ñu ak lan ah, kontaan naa trop bi ngeen ma laajee ci lool sawar naa ci tontu lool festival bi le 27 damay sargal damay rendre hommage papay kii ñu taxawal muy mas muy euh, euh, papay Cheikh Tayrou man Cheikh Tayrou xaw ma ko mais dama dem Amérique gis liñ koy defal fu ne la nit di jóge état bu ne. di dagg billet di ñëw ci ci loolu ma ne bis bu may def événement Sénégal papa kii dinaa ko rendre hommage te xaw ma ko de mais li ma gis moo ma day li ma gis daf ma yéem looloo tax ma koy rendre hommage le 28 may def sargal Yéli Cuun Yéli Cuun kenn du ko laajte mooy borom africain digal def na lu ne Sénégal bërki démb yóbbu fii euh, Waali Genève le 29 may sargal sama rak bi nga xamni ni bu may wax su mom duma doyal parce que dama ko yar ki meuna wax ni man mako jangal nu ni fecce man baye mako don doon ay tan beer bu mi ñew Sorano di auditioné mako auditioné bala yusu Ndour maa ngi la won ci neek tukki wër nañu adina makki yusu Ndour jëlat ko wër rek mom adina balé national té duma ci fenn xamali tax parce que mom wàll ba muy féetee musique lay def man sabar lay def ak djembé waaye nak muy sama rak jo xamné ne bu may wax ci mom duma ma doyal dama koy sargal le 29. Baye Mboup a ngi sargal Pa Moussa ku ko dégg da nga nan Baye du fi miste parce que lu wara mëna nek la normalement chaque jour dama koy wax néna naa na sargal sama bop waye dama bëgg a sama bop ba ba ba suufee yëkkati ñëpp ñu kawé affaire bi nak day am workshop de danse di wo wa diaspora bi yëpp le 27 day am workshop yooyu ci Cuunoo def le 28 day am workshop Mama takko moo koy def le 29 day am workshop Pa Moussa mii moo koy def di inviter aduna bi yeb ñu ñëw lolu dal moy sunu but festival di def ay dons de sang consultation gratuite fii ñu nekk nii lañ koy defé te fii ñu nekk le 28 kuñ fi fekk li nga xamni ne defar nañ ko ba baax di ci woo autorité yëpp ñu ñëw jàppale ñu jàppale waa associ association bu perki mi bëgg a def festival ngéwél gi festival bu ñu nee gi festival bàyyi wuñu mbay jay fay bàyyi wuñu waa euh, bépp géwél waa kër Doudou Ndiaye Rose bàyyi wuñu bépp kër géwél bàyyi wuñu suñu papa Buli Sonko ndax lépp lu ñu doon tey moo ñu ko def moo ñu def artiste bàyyi wuñu sunuy maître ñoo ngi gërëm suñuy maître képp ku nu mës a jàngal rek tëgg ñoo ngi lay gërëm parce que tëgg tey lépp lu ñu amooñu ko jox ñu ngi gërëm suñuy maître Doudou Ndiaye ñu ngi mbay fay di gërëm Jibi Sané di gërëm ñëpp ñi nga xam ne rek ñoo ñu jàppale ci aar. ginnaaw bi nga xam euh, mhm. euh, ngeen fas yéene jëlee li ko fas yéene jëlee fenn rek la mooy ministre de la culture bi nga xam ni moo ñu fi teg man may liggéeyal état pendant vingt deux ans nekk théâtre national Daniel Sorano ànd ak defal lu ne Sénégal dañ may jël yóbbu ma Amérique 22 états Je me di que coupe du monde je vous ministre de la culture pour mu nous nous ñu ñu sur suñu festival yaakaaruñ ko ci ministre de la culture et partenaire di le képp kuy artiste nekk ci euh, diaspora bi rek bu ñu mais képp artiste bu mës jël 100 francs. t-shirt ou nga def ko ci banderole lay boo ñu doon estimer euh, li nga xamante ne moom mooy euh, budget bi euh, xayma bi ñaata bi egg na ci 32 millions te yaakaaruñ ko fenn fudul ci ñoom képp ñu ngi ciy góorgóorlu artiste rek ñooñu ci jàppale sama rakk ji chaque jour ñu xuloo ba xeex. dama koy fëgg matin soir ne ko Pa Moussa tiset yi manqué na ju banderole amul dara amul mooy fighting mooy def lépp ci ñooñu rek lañ ko yaakaar ñu mel ni moom di gërëm waa diaspora bi yëpp artistes yi nekk ci diaspora yi mais dañ cee jàpp bu baax ak ñu nekk fii wam bu përki na groupe bi seetaan nu ñu benn yoon ñoo ñu porté ñoo ñu dimbali ak groupe Watosita bi nga xam ne fa lañ mag ak ndaw ñëpp ci jàpp ñoo ngi ñaan yàlla tamit di leen ñaanal yéen parce que li ñu bëgg a def nii yéen rek a ko mën a jàpp kon ñoo ngi leen di ñaanal yéen it li ngeen li ngeen li ngeen ciy def nii yàlla leen ci yàlla defal tawféex ak jàmm Alors, vous préparez un festival. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'importance de cet événement Oui, parce que c'est un festival euh, euh, euh, qui est là pour promouvoir les groupes et percussions, les découvertes, quoi, les groupes de ballet percussions qui sont là ici au niveau de la banlieue qui vont se produire pendant quatre jours, du 27 au 30 décembre euh, et qui vont aussi échanger et rencontrer d'autres groupes qui nous viennent d'ailleurs et qui vont partager la scène avec eux pour le bout en train de, du Sénégal, des, des mélomanes, quoi, des férus de danse et, de musique. Quoi. Parce que c'est un festival qui verra la participation des groupes comme Tio Percussion, euh, comme aussi Corabus de l'Italie aussi, qui sont pressentis aussi. On les attend. Bon, même si c'est un pré-programme, le programme n'est pas encore bouclé, il peut y avoir des changements d'ici le début du festival. Mais toujours est-il que bon, on le prépare avec euh, un enthousiasme et puis euh, on attend aussi euh, des partenaires comme le ministère de la Culture. D'ailleurs, nous, on est en partenariat avec Sorano. Je remercie au passage son directeur, M. Saïd Sarsam, qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de cet événement. Et aussi, on attend aussi beaucoup de nos partenaires privés et mécènes pour pouvoir boucler le budget d'organisation qui est un budget de 28 millions, qui n'est pas facile à mobiliser, mais on espère que les partenaires vont jouer le partition pour permettre euh, à Guédiawaye de rayonner culturellement. Et puis aussi, de euh, ce festival aussi favorise la découverte et l'éclosion de nos talents aussi, et aussi promouvoir aussi euh, euh, les, groupes aussi qui, euh, qui ont besoin euh, de scènes, qui ont besoin de se produire. Parce que les groupes qui ici ne se produisent pas tellement. Et c'est une occasion, l'occasion, le festival est une occasion pour eux de se produire. Et dans le cadre du festival aussi, il y aura des, des rencontres professionnelles avec la Fédération des ballets et danses qui sera là pendant les quatre jours autour des rencontres professionnelles et aussi on va inviter aussi euh, les artistes plasticiens de Guéjoy à venir exposer dans le village du festival qu'on va aménager. Il y aura aussi, euh, dans le cadre de ce village, des consultations médicales gratuites, des dépistages sur le vertida, des sensibilisations ISC, des fléaux comme le sida, la drogue et le palu. Bon, en fait, euh, c'est un festival où, il y aura aussi une cérémonie de, récompense parce que le 30 au Sorano, on va honorer des célébrités du monde de la culture comme euh, Yeli Chun qui sera honoré par le label Mbou Percussion. Il y aura aussi Taïrumbay aussi qu'on va rendre un grand vivant hommage et aussi il y aura aussi euh, Pape Moussa Sonko aussi qui est un grand, grand danseur aussi qu'on va qu'on va honorer ce jour quoi, pour se rendre à la culture. En tout cas, on attend tout le monde et le rendez-vous est donné pour le 27 du 27 au 30 euh, décembre ici à Guédiawaï euh, pour euh, permettre à toute la population de, de, fêter, de, venir fêter avec nous quoi, ce festival qui en est à sa première édition et qu'on compte pérenniser. Quoi. Parce que c'est pour... c'est par la culture que l'on répond au mal-vie des populations de banlieue. Donc c'est un festival qu'on va pérenniser et qui, qui, qui nous manquait tellement. Quoi. Donc euh, c'est pour cela qu'on attend pleinement le soutien de la ville de et surtout, le soutien de la mairie des et le soutien aussi de la commune de Gol Sud. Et aussi... Euh... Oui, tout à fait, oui, tout à fait, parce que le ministère de la Culture est le partenaire stratégique, quoi. Et donc, euh, c'est son événement, donc euh, il va s'en approprier. Là, il n'y a aucun souci. Euh, le, directeur de Sorano nous a donné son accord et Sorano, c'est la culture, le ministère de la Culture. Donc sur ce point, on a on ne peut s'en réjouir quoi, de ce partenariat qui nous lie avec Sorano. Quoi. Et aussi, il faut dire que la ballet troupe Sorano aussi va se produire ici et aussi va participer à la clôture à Sorano aussi.